que apenas on Bella me cojas y no salía a la hilatre. ¿Aló? ¡La vela! C'est tonton! C'est Tonto, oui! C'est la maison! C'est vous c'est مسه seul seul c'est Arif c'est sous l'arbre sous l'arbre c'est seul sous l'arbre c'est bien j'attends merci merci merci l'appel là l'appel là l'appel là nag tey dóore woo fay woo duggal nii l'appel là tey bu ma gisee nii لا بالله لا بالله nag tey nag wax dëgg yàlla tey foog foog ma song laa bella ak doole lu ko mën doo nga fi ne laa bella lu laa bella laa bella laa bella ça va bien laa bella ça va comment tu vas bien, merci. Ah, merci beaucoup, merci. la bella. Merci. La bella, la si. Merci beaucoup. Ça va Tu sais, tu m'as manqué. C'est manqué. Je veux dire, namona là. la bella. Tataï. taille. Hein Pour moi, la bella. Tu guides. Ça merci tu sais l'olé yëpp pour yow ben, la. mais jërëjëf la Bella la Bella li ma la bëgg wax yëpp mënu ma ko wax ci c'est réciproque. billaahi. c'est c'est réciproque tu sais. c'est pro. c'est réciproque madame. man aussi dama la bëggee. maa la gën a bëgg la Bella maa la ay la Bella. oui. c'est le Ramadan. oui. hein. oui. c'est c'est war. ah non non moi j'ai pas gêné.

taper là. Sinon, et ta journée, tout se passe bien C'est bien. C'est sûr. C'est sûr. <laughs> la Bella. Tonton Diop. salaamaaleykum. ça va Général. Seck mu ndaw. la Bella. ça va la Bella. ça va bien. ça va bien. bien merci. bien. ah maam. Uh-huh. yow day. yaa ngi ci weer yi de. waaw waaw la Bella astafurlah. Seck. tey tey damaa chargé. Badoo Ndom si tamit daa yëg tey. tey 36 degrés. ah bon waaw waaw moo tax indi indi ko indi lu la bella kudd xanaa mu indi Merci beaucoup. C'est pour toi, la ah, Bella. c'est le ardo. Voilà, la Bella. Oui. Allez, vas-y, bon appétit. Hein? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh. Ah, c'est le ardo. C'est moi. Tu dois dem ardo. Je t'assure. <laughs> C'est tellement délicieux. Ah, tu prends. <laughs> Tu manges avec le doigt. Ah, hein? Oh mon Dieu. <laughs> C'est toi Oui. C'est le cuisseur. Cuit quoi La cuisseur là. À cuillère Waouh <laughs> Il est tellement intéressant. <laughs> Cuillère Cuillère Bien. Rajo Fall. Lilal Diop Fall Diop Fall xanaa nekk nu ci weeru koor Diop xanaa nekk nu ci bëccëgu koor non moomu Diop moo daale amoon dara la may wax fi mu toll nii da ngay saboté Diop Fall yaa ngi saboté waaye defoo ko kenn ku dul sa bopp. soxna si. Euh, ça va. très bien. toi nom comment. Euh, Toi, musulman Oui, je suis musulmane. Mhm. C'est toi qui habites euh, Oui, j'habite à côté. À côté, ça va Bien, merci. Toi, gêné euh, Mais aujourd'hui, je n'ai pas gêné, je suis souffrante. Ouais, mais quand même, toi, weer bi di weeru weer weeru weer weeru koor. sekk nooru. mais maam jëf faa amul dara lay wax waxuma yow ah. xanaa nga mën a mën defal sa faire defal sol normal Portez bien parce que ton corps tout corps doo.

billaay di nga mos a wéet sa borom billaay di nga mos a sa borom da ngay saboote rek lii nga def defoo yàlla sa bopp da nga koy def. sekk nii lay def moom dafa ne na koor gi yàlla dinu ko sekk koor gaa ngi nii téyel ci sa loxo te téyel ci sa loxo loolu la def loolu ko yàlla wax fu ma fekk yàqal ma la bella assez le vieux mon raison. Je suis désolé, je m'en vais. La belle, à toi, hein? Non, merci, ma Donc, même son. C'est que ni moi, nous, nous, nous, nous, Mon nous, nous, nous, la belle ne nous, nous, désolé Anga